forum district le forum district kalangu le forum district kalangu le forum district kalangu le forum district le forum district kalangu le forum district kalangu le forum district kalangu le forum district kalangu le forum district kalangu 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum des studios Kalangou, qui est un espace de d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes des studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de radio partenaires qui s'est étendu aux localités de Tanouta, Madawa, Dakoro, Doganduki, Walam, Tera, Ngingimi, Kablewa et Kwaratagi dans le deuxième arrondissement de Niamey, soit au total 31 radios qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui le forum est consacré au bilan à mi-parcours de la campagne agricole 2017. Avec nous ce soir pour développer ce sujet, Issa Manou, représentant la Direction générale de l'agriculture. Issa Manou, bonsoir. Bonsoir, M. Mokhtar. Ibrahim Saini, chef service vulgarisation à l'Office national des aménagements hydro-agricoles du Niger, ONAHA. Ibrahim Saini, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre Sido Isaka qui représente la plateforme paysanne. La campagne agricole 2017 a connu un démarrage précoce cette année. Les premières pluies utiles ont été enregistrées au cours de la troisième décade d'avril dans plusieurs localités du pays. De manière générale, la saison hivernale s'est bien installée dans l'ensemble de la bande agricole. À la date du 10 juillet dernier, 95% des villages agricoles ont déjà sémé contre 91 en 2016. Issamanou, de la Direction générale euh, de l'agriculture, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tous les villages nigériens ont sémé Effectivement, tous les villages nigériens ont sémé. Donc, euh, nous sommes euh, en tout cas à 100% des semis et nous avons quelques petits retards. Bon, ça c'est déjà consommé parce qu'on ne parle plus de ça. C'était 17 villages de la région d'Agadez qui n'a pas pu semer donc ils n'ont pas pu se mot donc à la date que vous parlez. Mais actuellement, comme vous savez très bien, la région particulière, il y avait la remontée capillaire. La remontée capillaire Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'une fois les courriers viennent avec euh, donc l'air de cru, donc ça permet maintenant donc à, ce ces villages aussi de s'aimer, parce que c'est le plus souvent c'est l'écriture euh, maraîchère, accompagnée bien sûr du maïs. Donc euh, actuellement la situation est maîtrisée, elle est favorable. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de village qui n'a pas sémé. Il n'y a pas de village qui n'a pas sémé. Tous les villages ont sémé actuellement. Euh, comment se présente la situation agricole sur toute l'étendue du territoire national Sur toute l'étendue du territoire national, maintenant, nous sommes euh, dans ce qu'on appelle le suivi des phénomènes, des stades euh, phénologiques des cultures. Et on peut dire que, à l'heure où nous sommes, donc le stade le plus dominant, c'est les paysans le mil qui est à 30%, et maintenant le sorgho qui lui, se menace la montaison, mais à 38%. Donc ça, c'est le stade dominant. Mais le stade le plus avancé, quand même, il faut se dire que le mil est en maturité, y compris le sorgho. Donc voilà un peu la situation donc, de développement des stades de culture actuelle au Niger. Donc je pense bien que la situation est globalement satisfaisante dans tous les pays. Si je dois dire que nous sommes, euh, le, nous sommes en septembre, donc, euh, il y a des villages qui ont déjà amorcé les récoltes. Donc, surtout dans la région de Maradi, la région de Tawa et la région de Dosso. Donc, il y a beaucoup de villages qui, ont déjà, qui sont déjà en train de récolter le mil. Issamanou euh, de la Direction générale de l'agriculture, qu'est-ce qui a été mis en place par l'État pour accompagner les paysans Si vous vous rappelez très bien, nous avons fait une émission ici où nous avons rappelé en tout cas les efforts de l'État et de ses partenaires. Pour ce concernant les préparatifs de la campagne. Voilà, donc nous avons, euh, sans peut-être pour revenir dans les chiffres, mais nous avons quand même accompagné les producteurs en matière de semences, des semences améliorées, du mil, du sorgho et du riz, donc euh, du maïs. Plus maintenant, les quantités de produits phytosanitaires, les pesticides, les engrais étaient disponibles. Donc, euh, est-ce que les engrais étaient à la portée des paysans Oui, c'est toujours le même pouvoir d'achat que comme euh, au niveau de ces producteurs. Nous avons décidé à ce que l'État puisse subventionner l'engrais à 50%. Actuellement, le, sac d'engrais, de, c'est 13 500 francs donc, euh, dans, toutes les, dans toutes les parties du Niger. Donc, je pense bien que les frais en train d'être toujours, en cas, la campagne est toujours en train d'être faite, donc il n'y a pas de problème jusqu'à ce qu'aujourd'hui je vous parle. Et je pense bien qu'en tout cas, en fonction des possibilités, parce que vous savez, l'engrais là, il y a plusieurs paramètres. Hein. Il y a d'abord la mais aussi l'accessibilité, parce que même les 13 500 francs par sac, n'est pas n'importe quel producteur qui peut avoir accès. Mais je pense que la majorité se sont organisés, que dans le cas des organisations paysannes, je pense bien que c'est toujours accessible. Maintenant, là où on pense que ce pas, c'est pas très accessible, c'est pourquoi nous sommes allés jusqu'à vente au kilo pour permettre donc vraiment euh, aux paysans qui sont en tout cas qui ont moins de, recettes, qui ont moins de pouvoir d'achat, donc de pouvoir accès à ce facteur de production qui est l'engrais. Qu'en est-il euh, des attaques euh, des ennemis des cultures Voilà, cette année, il faut se le dire qu'on a connu des attaques les animaux, du profil les sautoriaux, les insectes floricoles, les trips, les pucerons, les cicadelles. J'ai les chiffres ici, peut-être on va arriver là-dessus. C'est que nous avons en tout cas des milliers de superficies qui ont été infestées, mais aussi des milliers qui ont été traitées. On va revenir, je pense, bien dans les chiffres, si vous voulez bien que je vous dise actuellement quelles sont les superficies qui ont été attaquées et quelles sont les superficies qui ont été traitées à quelle hauteur. On va, on va y revenir. On va, y revenir Issa Manou de la Direction générale de l'agriculture, est-ce que cette année, il y a des zones déficitaires Bien, bien sûr tu sais, au Niger, il faut toujours, c'est une, une, donnée, parce que dans la situation globale, il y a toujours des situations particulières. Nous ne sommes pas, euh, pour l'instant, au stade, n'est-ce pas, d'évaluation de ces villages qui sont déficitaires, mais nous sommes en train d'abord de suivre la campagne jusqu'à sa fin. Ce qui est sûr, il y a, comme vous le savez, un comité dirigé donc par euh, le, le système d'alerte précoce qui, lui, vraiment sur son travail, n'est-ce pas, d'évaluer la campagne et de finaliser, dire que voilà le nombre de villages qui sont déficitaires. Donc, je voudrais simplement dire que dans n'importe quelle région, même si elle est globalement satisfaisante, c'est qu'il suit, il y a toujours des poches c'est-à-dire quelques villages, quelques tiroirs, la n'est pas, n'est pas satisfaisante. Ce qui est sûr et certain, d'une manière générale, vraiment, la situation est acceptable. Je voudrais simplement dire que même dans les villages, dans les régions qui sont excellentes il y a des villages qui sont, qui sont déficitaires, donc on voit à la disponibilité, donc on peut vraiment faire le transfert, pas, des zones de production vers les zones les moins eh, qu'on produit, quoi. Et ça, c'est facile parce que c'est dans dans, dans la même région. Le jour d'aujourd'hui, euh, est-ce qu'il y a des conseils euh, à l'endroit euh, des producteurs ou bien des paysans de ces zones déficitaires eh Bien sûr, c'est toujours réagir à temps parce que avec euh, les, la variation des prix, c'est sûr et certain, les, les milles euh, plus, les sont plus accessibles hein, au moment de la récolte. Donc, au fur et à mesure, on va, les, les céréales, pas, deviennent plus chères. Donc, le conseil, c'est d'amener, ce que, les producteurs la puissent vraiment se préparer pour faire les achats pendant les récoltes pour que vraiment euh, qu'ils puissent, parce que le plus souvent ces, zones-là, ils sont nantis en ce qui concerne banque céréalière, donc ils ont des fonds de roulement, donc il faudrait que ces fonds de roulement soient utilisés au moment opportun pour faire les achats, pour faire pour ces banques et sans peut-être ôter euh, le fait qu'aujourd'hui l'État a accompagné ces communes, des communes avec ce qu'on appelle les maisons, les maisons paysans dans lequel voyez-vous, vraiment c'est un complexe dans lequel justement parmi ces pancartes là pas il y a ce qu'on appelle les magasins de sécurité de, sécurité alimentaire d'une capacité de 200 tonnes donc euh, c'est un stock c'est un stock tampon n'est-ce pas, qui permet à, ce moment-là de ravitailler les zones déficitaires. C'est qui sur au niveau de ces magasins, il y a toujours euh, l'accompagnement de l'État et ses partenaires. Donc il y a un fonds qui est disponible et qui permet de faire les achats à temps pour pouvoir vraiment aller vers les zones euh, déficitaires là, pouvoir les ravitailler à temps. Donc voilà, vraiment un prix toujours abordable, acceptable, parce que toujours il faut se dire qu'on tient compte de la variation des prix. au moment de la récolte, les prix sont acceptables, sont abordables par les producteurs, mais quand tu vas au, vers euh, période périodes de donc on ne peut pas faire les achats. Donc on conseille, n'est-ce pas, vraiment tous ceux qui veulent approvisionner, vraiment de faire les achats à c'est-à-dire entre octobre, novembre et décembre. Voilà le moment le plus opportun pour faire ces achats. Ibrahim Saini, vous êtes euh, le chef service vulgarisation de l'ONAHA. Au jour d'aujourd'hui, quelle est la situation euh, des aménagements hydro-agricoles au Niger Je dirais que vraiment la situation est satisfaisante. Du moment où maintenant on ne parle plus de, de pépinière, on parle de repiquage, sinon même on parle de, de rizières. Euh, le stade de repiquage est déjà avancé. On est à presque 90, 98% de repiquage, donc euh, sur des situations et euh, des superficies prévues. Et que vraiment, pour les peu, les 2% qui restent, c'est juste lié à certains facteurs que vraiment les paysans sont en train de maîtriser, à savoir vraiment des parcelles inondées et que les paysans sont amenés vraiment à drainer avec leur station de pompage. Donc la situation, vraiment, je dirais qu'elle est satisfaisante. On a presque sur les 12 600 hectares prévus, presque 12 500 repiqués à la date d'aujourd'hui. Ça représente euh, combien en termes de pourcentage euh, par rapport aux besoins de la population Et En termes de production, les prévisions en termes de production, Bon, en fait, euh, cette situation, on ne peut pas la donner parce que c'est une situation que euh, quand on fait, nous, c'est les aménagements hydro-agricoles seulement. Donc là où on maîtrise l'eau. Maintenant, il y a un autre aspect, il y a un autre, euh, c'est les autres aménagements qui sont gérés par la Direction générale de l'agriculture. Donc ce qu'on donne chez nous, on a tout au plus, par année, on a dans les environs de 100 à 130 000 de production de riz. Chaque année, nous savons que à pareil moment, plusieurs superficies au niveau des aménagements hydro-agricoles sont inondées euh, du fait des fortes précipitations. Quelles sont les mesures prises pour lutter contre la montée des eaux Donc, euh, je dirais depuis 2014. Donc euh, l'État s'est investi à travers l'Office national des aménagements agricoles pour la réhabilitation des digues, le rehaussement des digues. Et ces choses faites maintenant euh, les inondations constatées cette année ne sont pas liées vraiment euh, du côté ne sont pas liées à un affaissement de digue ou bien euh, c'est lié aux eaux sauvages. Aux eaux les sauvages, eaux qui, ça veut dire Les eaux qui viennent des rivières ou bien des, de ruissellement au niveau des champs, au niveau des villages, vraiment bénéficiaires de ces aménagements. Donc, ce n'est pas du côté du fleuve. On n'a pas jusque-là une inondation du côté du fleuve. Donc, les digues ont tenu et la côte entre aujourd'hui, quand on fait la dénivelée entre le niveau euh, du fleuve, et la crête de la digue, on a environ 80 à 1 mètre de hauteur. Donc je dirais que vraiment là, il faut féliciter l'effort de l'État à travers vraiment les, travaux réalisés en 2014-2015 pour le rehaussement des digues. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte Non. Du côté des digues, il n'y a pas de crainte. C'est vraiment euh, un travail fait avec vraiment l'expertise totale de l'ONAHA. Euh, alors, Ibrahim Seini, du service de vulgarisation de l'ONAHA, en termes de résultats, à quoi peut-on s'attendre cette année Certes, on a des superficies inondées qui ne dépassent pas vraiment les 15, et qu'on peut récupérer aussi parce que là, toutes les stations sont en train de drainer toutes les stations de pompage sont en train de drainer. Donc, euh, et je sais que d'ici deux semaines, voire trois semaines, vraiment, les super seront maîtrisées. Maintenant, du point de vue euh, attente, vraiment, je dirais que là, on peut s'afficher vraiment pour une attente favorable là, parce que la production, on espère vraiment euh, être à jour par rapport à la production. C'est-à-dire, d'après les, les rendements prévus de 6 tonnes 5 à l'hectare, on sera vraiment dans au rendez-vous, surtout que la CAIMA s'est mis, les fournisseurs sont mis pour nous approvisionner en engrais, pour approvisionner les coopératives en engrais. Et je salue vraiment l'effort des coopératives par rapport à cet aspect, l'approvisionnement en engrais euh, des producteurs. Depuis le début de cette campagne agricole, est-ce qu'il y a des nouvelles superficies que l'ONAHA compte aménager au profit de ses producteurs Je dirais nouvelles superficies, oui. Nouvelle superficie, là, on a deux à trois aménagements en cours de réalisation. Donc, euh, dans, quelle, quelle, partie du Niger je, euh, je, prends le cas de Guidamagaji, la région de Tawa. Donc, euh, c'est un aménagement qui fait 200 hectares. Il y a Honda Balati ici, dans la zone de Namaro, la commune de Namaro, qui fait effectivement 200 hectares encore. Et il y a au niveau de, du barrage de Kandaji, donc presque 2000 hectares qui sont en prévision aussi. Sinon, il y a eu 1200 hectares qui sont ajoutés à la campagne SS Passy, SS 2017. SS 2017, la campagne, saison sèche 2017, 1200 hectares. Donc, je dirais que vraiment l'effort de l'État, l'effort est, à saluer vis-à-vis vraiment de ces réalisations. Issama, vous avez quelque chose à ajouter Pour dire que, effectivement, je voudrais un peu le compléter par rapport à la situation du. De ce qu'on appelle la production du, du, riz hors aménagement. Effectivement, dans toutes les contrées du Niger et dans toutes les, tout cas les vallées qui ont des possibilités, n'est-ce pas, d'eau souterraine. Et maintenant, accompagné avec les réseaux du ruissellement, les paysans font des efforts, des grands efforts pour pouvoir produire le riz hors aménagement. Donc, euh, actuellement, indépendamment de ça, nous avons des projets qui font l'accompagnement de ces producteurs-là, à savoir dans la région principalement de, Tawa, à Carrefour, par exemple, nous avons de 300 hectares, n'est-ce pas, du rue euh, au dans la région de Zender, surtout dans le département du Magaria, nous avons aussi à peu près plus de 300 hectares qui sont, qui sont emblavés par les producteurs. Et ça, vraiment, euh, dans toutes les régions, je disais, à Difa, n'en parlons pas, ici à Dosso, surtout Dosso, donc voir vers Gaïa, vers Gaïa, vers les, les bas-fonds, Falvoy, Falmay, pardon. Donc vraiment, on a beaucoup de zones qui, effectivement, l'ONAHA n'intervient pas parce que il n'y avait pas la maîtrise totale d'eau, mais vraiment euh, la DGA, de l'agriculture, donc accompagne ce producteur-là à travers vraiment l'appui donc technique et méthodique, plus maintenant l'appui en semences, pour pouvoir vraiment effectivement donc ajouter à la production de, de, de l'ONAHA, la production du riz, comme vous le savez très bien, qu'à présent ne sont pas à la hauteur, n'est-ce pas, <laughs> de rencontrer ou de satisfaire les besoins euh, national du riz. Donc, euh, c'est des efforts là vraiment. Il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire. Et la part de l'INERAN, et bien la part de l'unaha et de notre part aussi. nous sommes tous acharnés, nous sommes tous euh, vraiment motivés engagé à faire en sorte que le riz du Niger, comme vous le savez très un riz de qualité, puisse vraiment être, euh, n'est-ce pas, à la hauteur de l'atteinte de notre population. Chers auditeurs, je rappelle que euh, notre troisième invité, à savoir Sido Isaka, représentant la plateforme paysanne, vient de nous rejoindre dans ce studio. Sido Isaka, bonsoir et bienvenue. Merci, bonjour. Tout à l'heure, je disais que la campagne agricole 2017 a connu un démarrage précoce cette année. Les pluviométries utiles ont été enregistrées au cours de la troisième décade euh, du mois d'avril euh, dans plusieurs localités du Niger. De manière générale, la saison hivernale s'est bien installée dans l'ensemble de la bande agricole. À la date du 10 juillet, déjà 95% des villages agricoles ont déjà semé contre 91% en 2016. Monsieur Duisaka de la plateforme paysanne, au niveau de votre structure, quel est le bilan à mi-parcours de la campagne agricole que vous faites Alors, le bilan qu'on fait, hein, en tout cas à la date d'aujourd'hui, un bilan globalement satisfaisant. Il y a moins une semaine de cela, j'étais jusqu'à Zender, j'ai fait un peu la brousse de Zender, Maradi, tout ça là jusqu'ici. Vraiment, aussi bien sur le point de vue production agricole et fourragère, ce qu'on a vu, c'est vraiment satisfaisant. Vous avez fait le tour euh, du Niger. Quelles sont les difficultés rencontrées euh, cette année par les agriculteurs Vous savez, quand il pleut beaucoup, quand il y a beaucoup de concentration, disons, de, de pluies rapprochées les unes les autres, c'est que ça met en défi la capacité du producteur à cercler sa, superficie qu'il entend à, Ça, c'est un élément. Deuxième chose, bon, au niveau de, certaines zones, c'est pas partout, hein. au niveau de certaines zones, il y a, il y a eu quelques débuts d'attaques, notamment à Difa, mais qui a été très vite circonscrit. En gros, il n'y a pas une très grande difficulté, en tout cas au point de vue euh, agricole, euh, cette année-là. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché selon votre structure en fait, euh, marché, pas marché, vous savez, quand nous avons fait le, le débat de départ, on était vraiment sceptique parce que c'est précoce, parce qu'on ne connaît pas la suite, la régularité, la répartition des pluies dans l'espace et dans le temps. En gros, Très honnêtement, cette année, si ça continue, il n'y a pas de grand problème. Maintenant, c'est au niveau de la gestion de tout ça qu'il faut, il faut, il faut se poser des questions, il faut développer des stratégies pour pouvoir euh, profiter le maximum possible de la production. la période de campagne agricole est également un moment propice à l'éclosion des ennemis de culture. Issa Manou, du service de la Direction générale de l'agriculture, vous avez quelque chose à ajouter Oui, j'allais quand même compléter mon grand frère euh, par rapport surtout euh, <laughs> au fait que cette année, comme l'avait dit, il y une concentration quand même des eaux de pluie. Vous savez très bien que notre pays, quand il pleut aussi, l'environnement n'est pas très favorable à des grandes pluies. Ce que j'allais donc ajouter à ce qu'il avait dit, non seulement ça favorise les, les ennemis de culture, mais les grands problèmes, c'est les inondations. Donc, euh, voyez cette année, <laughs> partout, il y a eu, en tout cas, Actuellement, nous sommes en train de, faire des efforts pour pouvoir sécuriser certaines, certaines populations. Et je m'en vais pour dire que cette année, il y a une exception parce que nous avons un poste pluviométrique qui a resté plus de 913 mm. Donc, c'est qui est vraiment <laughs> une situation exceptionnelle et c'est un poste qui se trouve dans, le département de Gaïa, au niveau du village qu'on appelle SIA, en 35 jours. Donc, voyez-vous, je pense que cette situation, c'est ça qui doit tous nous interpeller pour dire que désormais, il faudrait plus de dispositions, plus de mesures de précaution soient prises et par l'État et par les partenaires et par eux-mêmes les paysans pour vraiment se reconstruire euh, en cas de ces grandes pluies parce que ça peut être très menaçant pour nos productions. Maintenant, euh, j'allais ensuite dire que, bon, effectivement qu'il y a assez de pluie, ça, favorise euh, l'apparition l'apparition, des ennemis de culture. Donc, euh, j'allais dire que tout à l'heure, je vous disais que nous avons eu des variétés de cultures qui ont été attaquées et actuellement, nous sommes sur les 70 911 hectares qui ont été infestés, tous ennemis de culture confondus. Nous avons pu traiter 51 088 hectares donc pour, qui euh, ont été traités, soit donc euh, un taux de, soit de, de, traitement de 72%, ce qui est quand même acceptable pour l'État et pour ses partenaires. On ne peut pas <laughs> traiter à 100%, ça c'est sûr, mais toujours il faut se dire que nous avons encore des capacités d'intervention d'à peu près 50 000 hectares. Parce que vous savez, les produits arrivent au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'il y a des, des menaces, les, partenaires réagissent, l'État réagit aussi, n'est-ce pas, plus efficacement. Et actuellement, vraiment où je parle, nous avons une capacité de 50 000 hectares à traiter euh, dans nos magasins, dans les, régions. Donc, ce qui est vraiment, euh, n'est-ce pas, euh, c'est que veut dire qu'on n'a pas <laughs> baissé les, les bras, n'est-ce pas Oui, Issa Manou, de la Direction générale de l'agriculture, au stade actuel, est-ce qu'il y a des zones qui sont infestées par ces ennemis de culture Actuellement, la situation est maîtrisée. Vous savez, euh, par exemple, les on appelle ça les insectes floricoles. Et ces insectes, ils évoluent au fur et à mesure que cette, euh, phase s'installe. Ça, insectes, Mais d'une manière générale, on dit bien que la station est maîtrisée. Ça veut dire que le seuil, n'est-ce pas, de tolérance est bien maîtrisé. Alors, on va aller vers euh, Ibrahim Seini, chef service euh, vulgarisation à l'ONAHA. Quel est le degré d'implication de l'ONAHA dans le secteur de l'agriculture dans le secteur de l'agriculture, je dirais l'agriculture maîtrisée, les aménagements hydroagricoles, donc la maîtrise totale de l'eau. Je dirais l'ONAHA est le moteur de la production. L'ONAHA eh, gère, en quelque sorte, l'ONAHA entretient périodiquement les stations de pompage, qui est la source d'eau. Donc je dirais l'ONAHA est l'élément clé pour euh, vraiment la survie de ces aménagements. Alors, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les difficultés rencontrées par l'ONAHA dans la conduite de ces activités Bon, la conduite de ces activités de maintien de vraiment des stations de pompage, je dirais, c'est la vétusté du matériel euh, hydromécanique. Donc euh, là, on prend des pompes censées travailler 10 ans. On a des pompes qui ont ben, maintenant plus de 30 ans de, de fonction, 30 ans de, fonctionnement. Donc, ce qui veut dire que l'ONAHA est amené chaque jour, hein, chaque jour, j'étais resté chef d'antenne. La brigade sortait chaque matin, chaque matin pour aller intervenir sur les stations de pompage. Ce qui fait qu'on a, dans les 365 jours, on a environ 320 jours d'intervention. Donc c'est un coût énorme du point de vue déplacement, un coût énorme du point de vue carburant et un coût énorme du point de vue vraiment entretien du matériel. Donc euh, la vitesse du matériel, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à l'UNA. et que maintenant, avec euh, vraiment l'aide des, bailleurs de fonds, l'aide de l'État, on est en train de réhabiliter un à un, vraiment une à une les, stations de pompage. Je prends et actuellement on a 10 aménagements en réhabilitation par euh, la coopération allemande et huit autres euh, par euh, la Banque mondiale à travers le PGRC. Donc on aura aussi incessamment le, grand aménagement du Niger, à savoir Kony qui sera réhabilité par le Millennium Challenge, à savoir la MCC. Quelles sont vos relations avec les producteurs et Les relations avec les producteurs, c'est vraiment l'appui conseil et l'encadrement technique. Donc l'ONAHA est en charge la, la gérance des aménagements hydroagricoles. Donc euh, depuis 2015, l'État, à travers une convention de gérance, a confié la gestion des ces aménagements à l'ONAHA, qui est vraiment euh, les rétrocède aux coopératives pour euh, exploitation. Donc c'est ça la relation qui existe entre l'ONAHA et les, les producteurs ou bien la, les structures des producteurs. Quel est le degré d'implication de l'UNAHA dans le cadre de la mise en, œuvre de l'initiative 3N On l'a dit dès au début, depuis 2012, euh, l'UNAHA est un élément moteur dans euh, l'initiative 3N. Euh, on, a un outil qui permet de produire sur toute l'année deux campagnes par an comparativement au sol d'une avec vraiment les plus aléatoires. Donc, euh, ce n'est pas évident de produire. Donc, avec l'ONAHA, on a la certitude de produire aussi bien en saison sèche qu'en saison pluvieuse. Donc, je dirais que l'ONAHA est vraiment un outil important dans la mise en œuvre de l'initiative 3 Mais aujourd'hui, est-ce que l'ONAHA a aujourd'hui le personnel qualifié et même le matériel suffisant pour mener à bien sa mission De 2014 à aujourd'hui, l'ONAHA a bénéficié de presque 6 milliards d'investissements du point de vue De 2014 à aujourd'hui, l'ONA a bénéficié d'environ 6 milliards d'investissements du point de vue matériel pour renforcer sa capacité d'intervention. Ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, je dirais que l'ONAHA est au top pour répondre aux besoins des producteurs, répondre euh, vraiment euh, pour faire face aux attentes des producteurs. Du point de vue personnel, l'ONAHA est au top. Du point de vue personnel, vraiment, le recrutement est en cours de plusieurs cadres, le recrutement en cours de plusieurs euh, agents d'encadrement pour vraiment accompagner ces producteurs. Sudo Isaka de la plateforme paysanne, quelle est la contribution de votre structure en termes d'appui, euh, conseil et sensibilisation aux producteurs Ok, en termes d'appui, conseil, euh, ce que nous faisons, voyez-vous, aujourd'hui nous sommes dans une situation où le changement climatique impacte beaucoup sur la production, sur les prévisions et tout. Il ne pleut pas on se plaint. Il pleut trop, on n'arrive pas à maîtriser. Et ça, ce n'est pas un phénomène euh, ponctuel. Ce sont des choses qui arrivent et qui euh, souvent échappent à la maîtrise euh, de l'homme. Alors ce que nous disons, c'est de prendre en compte l'ensemble de ces paramètres-là et de se tenir prêt. S'il y a trop de pluie, qu'est-ce qu'il faut faire s'il n'y a pas de pluie, comment s'y prendre En cas de bonne production, comment gérer sa production Effectivement, euh, par rapport à ça, est-ce que vous avez des, conseils à donner aux agriculteurs pour éviter le gaspillage de vivres après les récoltes Exactement. On a des conseils, on a des, des, des thèmes, des thématiques de plaidoyer à l'endroit aussi bien des partenaires, des autorités que des producteurs. Le souci premier d'un producteur, c'est de produire bien de produire beaucoup, mais également de pouvoir euh, bénéficier des revenus monétaires de, de, sa production. Il se trouve que les ventes se font souvent de manière euh, anarchique, disons sous forme de bradage des produits, surtout au cours de la campagne agricole. C'est très grave. Mais comment dire à un paysan ne vend pas si tu ne lui proposes pas d'alternative. Et c'est là que les actions de plaidoyer, de mise en relation interviennent vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de certains projets, certains programmes, pour que des actions d'achat institutionnel, des actions de vente groupée soient organisées, des actions de warrantage ainsi de suite, qui vont permettre... Le warrantage, il faut expliquer aux populations. Le warrantage, euh, c'est quand, par exemple, euh, quelqu'un qui produit 10 tonnes, par exemple, de, de céréales, il produit les 10 tonnes, il veut vendre, mais il n'a pas de liquidité. Alors, euh, certains partenaires, certaines structures mettent en place un fonds. Et ce fonds permet de donner de l'argent en liquide au producteur et de lui permettre de stocker sa production jusqu'au moment où ça prend de la valeur. Donc, il n'a à payer que les frais de stockage. Est-ce que ce genre de service, euh, le warrantage est pratiqué dans toutes les huit régions du Niger Non, pas dans toutes les huit régions, mais nous avons euh, au sein de la plateforme certaines structures qui ont beaucoup travaillé là-dessus, qui sont en train de le développer. Je parle de Mouriban, qui a une très grande expérience à la matière, où à travers ses coopératives membres au niveau terrain, ils organisent ces achats-là, ils ont des magasins, ils ont des fonds, des fois des crédits qu'ils prennent au niveau des, institutions bancaires pour satisfaire les demandes des producteurs et leur permettre de mettre à l'abri leur production, notamment l'abri des commerçants, tous ces gens-là qui sont là, qui sont prêts à acheter au prix le plus bas pendant la récolte et de les revendre. Donc ça, leur, ça, permet de sécuriser les producteurs. Malgré que la campagne agricole soit bonne, néanmoins il y a des zones déficitaires. Euh, quel conseil euh, vous aurez à donner à ces agriculteurs de ces zones déficitaires-là euh, Il y a la stratégie de bourse céréalière, c'est-à-dire comment organiser les échanges entre les zones de surproduction et les zones où il n'y a pas eu vraiment de bonnes récoltes. Donc euh, ça, ce sont des stratégies qui sont développées à travers des ONG, à travers des, des projets, des programmes. Et donc, nous, nous travaillons dans le sens de la mise en relation entre ces différents acteurs-là, parce que euh, on, intervient également pour dire euh, à l'État organiser la commercialisation. Et, c'est presque devenu institutionnel maintenant. Chaque année, l'État débloque des fonds pour permettre d'acheter à un prix rémunérateur les céréales là et, et de, de, de, les mettre à la disposition des zones les moins déficitaires. Donc ça, ça quand même, c'est des trucs, euh, des stratégies qui sont développées et que nous continuons de soutenir. Et c'est soutenu par l'information, la sensibilisation. Parce que cette euh, information, elle est importante pour que la zone qui n'a pas produit sache où est-ce qu'il y a une bonne production, où est-ce qu'il peut aller chercher le euh, complément Est-ce qu'il ne faut pas aussi les accompagner dans le cadre des de, cultures de contre-saison, par exemple euh, oui, tout à l'heure vous avez parlé de, de l'initiative 3N. Il y a plein de choses, il y a plein de choses qui sont développées dans, dans le cadre de, des cultures de contre-saison, comme nous avons l'habitude de le dire. Et ça, ça ne concerne pas seulement les zones déficitaires. Hein. Au Niger, chaque fois qu'il y a trop de pluie, qu'il y a beaucoup de pluie, on réfléchit sur les dégâts causés, là, comment ça peut être compensé avec les quantités d'eau stockées. Et ça, les structures organisées, la plateforme, les, les, les eaux les unions, les groupements travaillent beaucoup dans ce sens-là. Et c'est le moment de préparer les semences des cultures maraîchères. C'est maintenant le moment de les préparer de sorte que d'ici la fin des récoltes, partout où la saison pluvieuse n'a pas bien donné, que les gens commencent déjà à préparer le terrain, à, entrer en activité par rapport à la production de cultures de contre-saison. Donc ça, c'est des actions indispensables pour compenser le manque à gagner par rapport, euh, enfin, dans les zones déficitaires. Est-ce que les produits ou bien les semences améliorées sont actuellement disponibles pour parer à toute éventualité Bon, disponible, oui, non. Parce que, vous savez, il y a plusieurs sources. Quand on parle de semences, il y a plusieurs sources. Les organisations paysannes font recours euh, à des importations de semences améliorées, tout comme l'État à travers euh, la centrale euh, d'approvisionnement la caïma. La caïma mais à la disposition des communautés, des producteurs, ces semences-là. Bon, au niveau de, la caïma, ça, souvent ça arrive euh, tard. Ça arrive tard. Et puis ça coûte cher aussi. Euh, non, non, non. Il y a certains, producteurs qui dénoncent la cherté. Oui, euh, ça c'est... Le, coût élevé de, de, de, de l'engrais, par exemple, des semences. Oui, je parle de semences, je ne suis pas encore au niveau de, l'engrais. Mais c'est clair que les semences au niveau de la caïma coûtent moins cher que sur le marché. Ça, au moins, c'est clair. La, qualité également. Mais c'est la question de disponibilité. C'est-à-dire, souvent, ça n'arrive pas à temps. Premier élément. Deuxième élément, quand même, ça arrive, c'est au niveau de la répartition de ces semences-là. Il arrive, ce n'est pas toujours, mais il arrive que là où on a besoin de pommes de terre, qu'on amène autre chose que la pomme de terre. Là où on Bon, ça, c'est des petits problèmes qui arrivent c'est des problèmes de gestion, de coordination. Maintenant, les OP, particulièrement au niveau de, au niveau des semences, euh, semences pommes de terre, semences euh, oignons, le Niger en produit, mais le Niger importe aussi. Il y a même des difficultés d'écoulement. Alors quand on ne l'importe pas, les gens se plaignent. Quand on l'importe de l'extérieur, ça vient, il y a des problèmes d'écoulement. Alors, euh, et ces problèmes sont souvent liés à des questions d'exonération. Les OP se disent, écoutez, les OP, c'est une question de vie. C'est quoi les OP Les organisations paysannes pensent qu'ils sont en droit de, de, bénéficier, en tout cas, de certaines allégeances pour mettre à la disposition, c'est seulement cela. À la disposition des, producteurs, c'est seulement cela. Et de l'autre côté, les services financiers de l'État qui se disent, écoutez, c'est une source de choses, il faut payer, il faut, il faut. Et il arrive que des stocks importants pourrissent dans les magasins de la douane. Isamanou euh, de la Direction générale de l'agriculture, vous avez quelque chose à ajouter Oui, en plus de ce qu'avait dit mon frère, je pense bien qu'effectivement, en cas en cas de, de bonne année, c'est-à-dire une année qui a connu beaucoup d'eau de, pluie. L'État et ses partenaires prendre des dispositions, surtout donc, euh, en approvisionnant donc, euh, des entrées agricoles, à commencer par des semences améliorées, cette fois-ci des semences des potagères, savoir euh, les le chou, n'est-ce pas, la tomate, l'oignon, la pomme de terre, etc., Donc vraiment en quantité comme acceptable pour pouvoir vraiment donc, n'est-ce pas, les paysans n'est-ce pas, à emblaver, une, des superficies. Il prend donc vraiment de produits pour compenser ce qu'elle n'a pas pu, n'est-ce pas, donc produire pendant la saison de pluie, soit à cause de la, des inondations, soit même à cause des, des, poches de sécheresse. Donc, euh, c'est beaucoup d'actions. À part cette action maintenant d'accompagnement en culture, de, euh, en culture de saison sèche, Et là, maintenant la mise en place des, banques céréalières, comme il est tantôt euh, évoqué. rapidement, Issa Manou, en termes de propositions, qu'est-ce que vous vous proposez aux producteurs et même aux organisations paysannes pour une meilleure campagne agricole 2017 je vous ai dit que vraiment les, dispositions à prendre, c'est vraiment faire en sorte qu'il ait la garantie des entrées agricoles. Et l'État est en train de le faire selon sa, sa capacité, sa possibilité. Parce que, comme vous le savez, l'État n'a pas vocation de tout fournir. Parce que dites-vous bien que la plus grande quantité de ces entrailles-là, n'est-ce pas, c'est disponible par les producteurs eux-mêmes, pas à travers leurs finances. Et l'État, maintenant, dans le cadre d'accompagnement, donc, il a disponible maintenant des banques, n'est-ce pas Il ne faut pas oublier qu'il y a des banques qui ont un intérêt quand même très abordable 1%, parfois moins de, 1%, pour pouvoir permettre aux producteurs, n'est-ce pas, de prendre des crédits et d'avoir accès à temps à ces entrées agricoles. Beaucoup de Nigériens ou beaucoup de producteurs ont, avaient espéré lors de la création de la Banque agricole du Niger, la Bagri, mais est-ce qu'aujourd'hui, la Bagri assure, comme on le dit Bon, la Bagri, euh, je ne veux pas tellement revenir à euh, cette banque qui avait un problème, il faut le reconnaître, parce qu'il y a un fonds qui devrait, qu'elle devrait bénéficier, ce qu'on appelle un fonds de garantie, qui devrait provenir de l'État. Je pense bien que c'est ce qui n'est pas disponible. Voilà pourquoi un pays, parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que l'agriculture nigérienne, n'est-ce pas, elle est toujours, euh, elle est toujours fait l'objet d'hésitation de la part des barres de force, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi les finances ne veulent pas aller parce qu'il y a beaucoup de risques, ça c'est clair. Mais euh, le fait qu'il y a des risques, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller de l'agriculture n'est-ce pas C'est en essayant qu'un jour qu'on va maîtriser ces risques, n'est-ce pas Qu'on va diminuer ces risques. Donc, c'est voilà pourquoi l'État, donc, maintenant, sans pour autant revenir uniquement à la, à mais dire que l'ensemble, n'est-ce pas, des, de tous ces institutions bancaires qui ont de l'argent et qui ont vraiment un crédit très promotionnel, qui permettent vraiment aux producteurs, n'est-ce pas, d'avoir accès à ces produits et de pouvoir approvisionner ces entrants agricoles à temps. Sidou de la plateforme paysanne, vos propositions de solutions pour une meilleure campagne agricole 2017 Les propositions que nous faisons, c'est dans un premier temps d'organiser la commercialisation des produits agricoles, notamment des céréales. Il faudrait qu'au niveau de l'État, je l'ai dit au départ, chaque année, il y a des fonds qui sont dégagés pour cette commercialisation-là. Il faut le faire à temps. Il ne faut pas attendre que les commerçants des pays voisins viennent racler tout. Et c'est en ce temps qu'on met l'argent à la disposition des gens pour leur dire essayer d'aller vers les coopératives, les unions, les groupements, faire l'achat. Ce n'est pas efficace. Premier élément. Deuxième élément, il faut préparer la campagne de contre-saison dès maintenant partout où on a besoin des aménagements sommaires, les semences, tout ça là, il faudrait que les producteurs se sentent euh, vraiment sécurisés par rapport à l'organisation de cette campagne-là et qu'ils puissent accéder aux intrants le plus tôt possible. Troisième élément de proposition, on a parlé du financement de l'agriculture. Nous avons au niveau national euh, le cadre de concertation et de dialogue des organisations paysannes que nous appelons CCD OPN qui a organisé un forum sur le financement de l'agriculture. Tout à l'heure, le représentant Issaman disait que les bailleurs de fonds hésitent pour financer le secteur de l'agriculture au Niger. Est-ce que c'est parce que les Nigériens ne travaillent pas Non, ce n'est pas que les Nigériens ne travaillent pas, mais un banquier, c'est un commerçant il veut se sentir sécurisé, il veut faire des profits. Mais aujourd'hui, dans un pays comme le Niger, rien ne dit à un banquier que non, s'il vous prête un million, à la fin de la, campagne, vous allez réaliser 500 000 francs de bénéfices et lui reverser 1 million 250 000. Il n'a aucune garantie par rapport à ça. Et donc, il se dit, ah, s'il y a inondation, je suis perdant. S'il y a sécheresse, je suis perdant. S'il y a attaque des acridiens, je suis perdant. Et donc, s'il y a tout ça, je suis perdant. Et donc, je me méfie, je prends mes dispositions. Quelquefois, part, ils ont raison. Et c'est pourquoi, au niveau de la plateforme, nous nous sommes battus pour euh, que cette euh, baguerie-là euh, soit créée. Ça a été créé. Est-ce que, la baguerie répond convenablement aux attentes Non, non la baguerie fonctionne aujourd'hui comme une banque, enfin, comme toute banque commerciale. Parce que les fonds de garantie que l'État doit verser à la baguerie qui lui permet de faire face à ces risques-là n'ont pas été versés. Et donc, les autres qui investissent de la banque, c'est pour se faire de l'argent. Ils ne peuvent pas courir le risque de perdre leur argent. Ça, c'est un élément. Et quand je parlais de la, de le, forum qui a été organisé, c'était uniquement pour discuter de ça. Et les conclusions, il y a eu un appel qui a été lancé pour dire à l'endroit de l'État. Vous parlez de la foi de l'agriculture. Oui, oui, la foi de l'agriculture. Pour dire à l'État et aux autres partenaires bailleurs, pour leur dire écoutez, aucun pays ne peut se développer tant que la question alimentaire n'a pas été résolue. Nous avons, Dieu merci, un programme, une politique nationale aujourd'hui qui est l'initiative 3 ans. Mais mettons l'argent dedans. Prenons ce risque-là de financer notre agriculture. Donc, selon vous, l'agriculture n'est pas financée au Niger Non. Les 3 ans, <laughs> les ne sont pas financés. En fait, euh, pas à hauteur des besoins. Euh, aujourd'hui, l'État a mis en place, avec l'appui de certains partenaires, le FISAN, le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est tout un dispositif qui permet de financer autant que faire se peut les initiatives de production, les initiatives de sécurité alimentaire. Mais les conditions d'accès pour les, les, petits producteurs, ces conditions-là restent à définir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'allégeances, mais ce n'est pas partout. C'est limité dans l'espace et dans le temps. Donc tout ça là, ce sont des initiatives. On est en train d'aller petit à petit vers ça. Mais les besoins alimentaires n'attendent pas. Ibrahim euh, Seini, vous êtes euh, le chef service euh, vulgarisation ONAHA. Mm. Vos propositions de solutions pour une meilleure campagne agricole 2017 Moi, je me dis déjà que la campagne est vraiment bonne. Maintenant, c'est vraiment de l'achever vraiment dans la légresse. Et vraiment, pour aller dans ce sens, il faut eh, mettre les moyens, au, bon, je dirais aux structures, parce que nous, chez nous, on parle du riz, principalement le riz. Donc, je veux dire à l'État de, de, donner les moyens vraiment au riz du Niger pour pouvoir racheter la production vraiment nationale en riz. Parce qu'en en fait, le riz local, c'est vraiment c'est euh, un riz de qualité. C'est vraiment un produit de qualité et vraiment ce n'est pas à comparer au riz importé. Donc euh, ne laissons pas les commerçants nigériens venir vraiment euh, raqueter le riz local et nous laisser avec le riz, importé. L'État doit mettre les moyens pour vraiment le riz de Niger, pour pouvoir vraiment racheter le riz local et puis transformer et vendre au Nigérien. Est-ce que ONAHA, votre service, peut relever ce défi En fait, nous, on, assume la production. On accompagne les producteurs à bien produire. Maintenant, la commercialisation, c'est vraiment euh, une activité des unions de, la fédération et du riz du Niger. Donc, l'ONAHA se limite uniquement à la production, je dirais comment l'ONAHA arrive à mieux structurer, mieux euh, gérer les producteurs Bon, à travers vraiment leur organisation, à travers les coopératives euh, mises en place, donc euh, pour euh, vraiment permettre aux différents membres de ces, de ces, de ces, aux différents producteurs d'être organisés, d'être vraiment approvisionnés à temps en entrant et vraiment matériel agricole. Donc, les coopératives vraiment des aménagements agricoles sont organisées et que vraiment l'organisation leur a permis d'abord de, de, se procurer de l'engrais à temps Bon, avec un léger retard, certes, quand je dis attends, euh, toujours le retard existe, mais vraiment c'est minimisé comparativement euh, aux autres euh, maillons quoi, de, la production. Donc, parce que là, au niveau du riz, au niveau des aménagements, ce qui ne répond pas, c'est la commercialisation qui ne répond pas. Aussi bien du riz que du maïs, que du, du, mil ou bien du sorgho. Donc, vraiment, on a un problème d'écoulement. Et que si on arrive à vraiment résoudre ce problème, je pense que euh, la production 2017, sinon pour toutes les années, sera vraiment bonne. Voilà, <laughs> nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Issa de la Direction générale de l'agriculture, Ibrahim Seni, chef service vulgarisation à l'UNAHA, Nous étions également avec euh, Sido Isaka, représentant la plateforme paysanne. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain même heure, même fréquence de nos 31 radios partenaires avec une autre thématique. Au revoir.